Depuis quelques temps, la situation sanitaire au Sénégal est de plus en plus inquiétante. Plusieurs cas de négligence, dans les hôpitaux, qui peuvent conduire à des décès. Une situation que déplorent les citoyens. Ce qui est une maladie, c'est que je me débrouille. Parfois, je me dis que je suis en train de me débrouiller. Vraiment, je me dis que je suis en train de me débrouiller. En cette situation, je me dis que je suis en train de me débrouiller. Je ne peux pas accueillir normalement la maladie. des fois dañuy dem ba ki malade bi patient bi sax day jéem a sax day ne des fois day bëgg ñibbi sax ngir jabanté bu ñu koy jabanté la demal fi demal fële demal fi affaire yo nonu parce que depuis euh, comment il s'appelle depuis fioton yi commencé ba léegi talatuñu kenn des fois bu film commencé mbaa yenen affaire bu commencé donc talatuñu la ñi ñu soxla ci hôpital yi sax doyuñu parce que da ngay gis ben ci Sénégal lëmm lëmm nga gis ne ben Eh, Nous avons tuddati docteur rek mo fi ne docteur day baye ko eh, Dakar pour ñoo faire ki Zingen sor mu donc docteur bobu fi newul moy borom yow Une vieille doléance des populations vient d'être réalisée. Selon nos interlocuteurs, le limosage du ministre de la Santé était une attente. Le président rek moo mën a ministre bi te dëmb def na ko.

c'est normal parce que chaque fois Un grand espoir est né dans le domaine de la santé suite à la nomination du docteur Marie Khemesse Ndiaye. Elle est présentée comme une femme de défi. Pourra-t-elle réussir là où son prédécesseur a échoué? L'avenir nous dira.